avec respect et gratitude tous les leaders de la coalition Benno Bokyakar. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là, mais aussi les autres responsables de Benno Bokyakar qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus leur engagement et leur dévouement envers notre nation sont exemplaires. Et je suis heureux de compter sur leur soutien dans cette lutte pour l'avenir de notre pays. J'exprime toute ma reconnaissance envers le président Macky Sall. Pour son soutien indéfectible, sa vision éclairée et son leadership remarquable qui ont non seulement façonné mon parcours, mais également ouvert de nouveaux horizons prometteurs pour le Sénégal, l'Afrique et le monde. Je voudrais le remercier personnellement pour son soutien constant, ses conseils avisés. Merci, Président Macky Sall, du fond du cœur. Dans les 14 régions du Sénégal, j'ai vu des visages empreintes d'espoir, de détermination et parfois de peur. Je vois les rêves de nos enfants se refléter dans, dans vos yeux. Je vois les aspirations de nos aînés se profiler dans vos sourires. Et je me rends compte que notre responsabilité envers eux est immense. Nous avons le devoir sacré de leur offrir un avenir digne, un avenir où chacun peut réaliser son plein potentiel, un avenir où la justice et l'égalité sont les piliers de notre société. Je suis fier de nos performances, mais je sais aussi que le travail n'est pas achevé. C'est pourquoi je vous appelle tous à rester unis, à rester mobilisés jusqu'à la dernière minute dans cette élection cruciale. en tant qu'héritier de l'esprit d'organisation et de méthode du président Senghor, nourri aux vertus du dialogue et du compromis positif, je m'engage à poursuivre son œuvre de construction d'une société juste et harmonieuse. Je suis également héritier de Abdou Diouf, imprégné d'un sens élevé de l'État et de la République, en tant que grand commis de l'administration. De même, je suis héritier du président Ablaïwad, un bâtisseur et un démocrate, et du président Macky Sall, naturellement, un chante de l'émergence et du leadership africain. C'est pourquoi je continue d'espérer et je pense que la place de tous les démocrates, la place des républicains est ici du côté de la position de Benno Bokoyaka. J'invite à nouveau nos amis du PDS parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes idéaux. L'œuvre du président Ouad ne doit pas se disloquer. Et je m'engage, je m'engage à soutenir son action, ses pensées. Leur place est à côté de nous. Fondamentalement, dans le pays, il y a aujourd'hui trois axes. Il y a les démocrates, les libéraux, les démocrates. Il y a peut-être les sociodémocrates. Il y a les anarchistes et les nihilistes. La place du PDS n'est pas dans cette catégorie. Nous avons fait le tour du pays. Nous avons vu et compris. Nous avons pris des engagements mais des engagements adossés à une vision que nous avons. Vision qui était déclinée dans le plan Sénégal émergent. Et nous nous engageons à mettre en œuvre totalement, et je dis bien totalement, toutes les promesses qui ont été faites. Je n'ai pas fait le tour du Sénégal pour faire des promesses parce que je vais en faire. J'ai fait le tour du Sénégal, oui. J'ai fait des promesses, oui mais il s'agit de promesses adossées à la vérité, de promesses adossées à la capacité de l'État. L'État de droit sera renforcé. Les libertés publiques seront renforcées. Mais on se mettra au travail dès le 4 avril. Votez Tay, sous Soube. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de responsables ayant besoin de deux ans d'apprentissage. Le Sénégal n'en a pas besoin. Nous avons besoin de consolider nos acquis. Nous avons besoin de consolider nos acquis. Nous avons besoin d'approfondir nous avons besoin d'aller encore plus vite et plus loin parce que nous devons satisfaire cette jeunesse qui attend et qui continue de nous attendre. J'ai pris l'option d'être le président de la République des jeunes. Je le dis et je le répète. Je le, réaffirme ici, ici, sur cette place mythique que nous créerons au moins un million d'emplois. Je dis ici, je dis ici, je dis ici et je répète, la condition de la femme sera nettement améliorée. aspects, notamment sur les aspects économiques liés au financement et à la participation des femmes pour dans la construction du Sénégal. Les personnes du troisième âge ne seront pas oubliées. Je veux une société plus juste, plus équitable. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut encore aller plus loin. Et nous irons plus loin. Toutes les personnes de troisième âge, toute personne ayant 65 ans ou plus au Sénégal sera soutenue par l'État du Sénégal à travers une bourse de sécurité familiale. La question du coût de la vie, il s'agit d'une préoccupation très forte, notamment dans les zones urbaines. Je pense ici à Dakar, des efforts ont été faits, c'est indiscutable. Mais nous irons encore plus loin. Nous irons encore plus loin pour tout faire pour que les prix puissent baisser. Je veux dire, on va créer des revenus, on va vous donner des revenus, mais aussi on va agir sur les coûts pour permettre aux Sénégalais, à tous les Sénégalais, de vivre mieux dans ce pays. Nous sommes ici à Dakar, où nous allons clôturer aujourd'hui la campagne électorale. Cette grande ville, Dakar va devenir une grande métropole. Du Cap Manuel, du Cap Manuel à Djamnyadjo. Le transport public sera amélioré, la voirie, l'assainissement, il s'agit de préoccupations majeures. Nous ferons tout pour que les Sénégalais vivent très bien, les Dakarois vivent très bien. J'ai été en Casamance, j'ai vu la verte Casamance. J'ai aussi traversé les ruelles de Dakar. L'amélioration sera de mise. Je connais Dakar du bout des doigts. Je connais toutes les maisons de Dakar. J'entrerai dans toutes les maisons je, vais, je, vous, je vous verrai dans toutes les maisons. Et ensemble, nous allons poursuivre l'œuvre de construction. Moki Sénégal maa ngi leen nuyu di sant di ak cette mobilisation yéen tingon Bataille. mobilisation bi rafetna amuñu ni dimanche li war di ngeen ko def ndax yéen da ngeen bëgg jàmm bugguleen aventure bugguleen ay oto yu ñuy toj ay kër yu ñuy lakk li ngeen bëgg mooy vivre en paix je m'engage à assurer la sécurité

jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii nga xam ni s'il vous lii nga xam ni bëgg nañ ko def ak yéen mooy dañoo bëgg a yokk lépp lu fi nekk lo xam ni askar askan bi la danañ ko yok gën ko yaatal fexé ba ñëpp jot ci je m'engage à le faire je m'engage à faire preuve de beaucoup plus d'équité encore mais xam ngeen ni mandat bi may laaj xalé yi dañ ci bari li ñu wax ni dama bëgg ñu àtte ma ci li nga xam ni moom laa dig xale yi c'est-à-dire un million d'emplois lu mu tuuti tuuti dama bëgg ngeen toog ci réew mi dama bëgg ngeen jariñ ci réew mi dama bëgg ngeen jariñ seen bopp dama bëgg ngeen jariñ réew mi dama bëgg ngeen jariñ seen i waajur fàttewuma jigéen ñi fàttewuma jigéen ñi parce que ñoom ñooy genn wàllu réew mi mais ñoom ñoo gën a néew doole kon lu mu jar war leen ko defal pour fexe ñu mën a dabbu góor ñi dinañ ko def ci wàllu koom-koom ci wàllu koom-koom wax naa fan yi fu ma dem dinaa ko fa wax fii ak ñetti weer dinaa samp benn banque bu mag banque boobu jigéen ñi dinañ ci am cër bu rëy dootul doon dootul doon boru lebu deux cent mille wala cinq cent mille dama bëgg jigéenu Sénégal am alal dama bëgg jigéenu Sénégal yi mën a faj ay soxla dama bëgg jigéenu Sénégal dama bëgg jigéenu Sénégal bokk bokk ci li tabax réew mi loolu sama programme la bok et inshallah dinañ ko tambalé ci 2024 bi fatéwuma mag ñi magni mag ñi parce que man dama fonk mag ñi dañ leen wara jappalé dañ leen wara sutural bo suturaal xalé yi defal jigen ñi waroo faté mag ñi am amul pension de retraite dina fexé ba nga am ko dinañ la fay pension de retraite C'est ngiiru pour que nga am lo xamni ni ngay suturlo ñu ngi nak Dakar Dakar capitale du Sénégal man nak du toxal capital bi waaye waaye bëgg na capital départemental bu nekk bëgg naa capital régional bu nekk li am ndakaaru am foofu dama ne man duma toxal capital bi ndax d'accord ngeen dégguma dara boor bi de boor bi dégguma dara gaañi nee gaañi nee dañuy toxal capital bi defe naa ni loolu du priorité fii ci senegal lii priorité mooy fexe ku nekk ba fi nga nekk la nga war a am yëpp nga am ko li am Dakar war na am Thiès war na am Ziguinchor war na am Tambacounda war na am feneen li am Dakar war na am Pikine war na am Guédiawaye war na am Koussanar war na am Goudiri war na am Podor war na am fu nekk Lolo, moy développement lolo, moy émergence ci lolu la len bëgg a yóbbu wax fi pour wax len ni dañuy capital wala sax dañuy soppi ay monnaie lolu du priorité ngi di bu di rendez-vous dimanche bu 9h jotee fii du jubilé fii la ñu jox rendez-vous merci merci merci merci.